L'objet de cette rencontre, c'est une restitution d'un document, vraiment, voilà, d'un document intitulé Gigantesque Culture Horizon 2035. C'est-à-dire qu'en partant un peu, de l'expérience vécue, donc nous nous sommes dit en tant qu'acteurs, tout genre confondu, que ce soit le cinéma, art plastique, musique, théâtre, danse, il faudrait qu'on se retrouve pour réfléchir sur notre destinée, pour réfléchir sur euh, nos préoccupations d'une manière globale. De ce, qui a, au bout d'un an de réflexion, ça nous a permis de mettre en place ce document-là où on a parlé de nos préoccupations, mais aussi euh, de comment dirais-je, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vraiment l'artiste puisse vivre véritablement de son art et surtout quand il est en, vie, en, activité, mais au-delà de ça, quoi, quand il sera en rêve. Voilà, donc c'est un peu en gros, euh, comment dirais-je, on a vu un peu ici des artistes qui sont, voilà, quand ils étaient en vie, en, tout cas en activité, ils, ont, voilà, ils vivaient convenablement, mais après quand ils sont tombés malades, malheureusement, il fallait qu'ils m'en dépassent par-là pour vraiment venir en aide, quoi, leur venir en aide. Et donc pour nous, c'est une façon de dire plus jamais ça, quoi. Voilà, plus jamais ça. On se retrouve désormais pour réfléchir sur vraiment qu'est-ce qu'il faudrait pour, pour que l'artiste puisse vraiment vivre véritablement, mais au-delà de sa vie un peu professionnelle, puisse vraiment, euh, comment dirais-je, euh, pourquoi pas euh, avoir une sécurité sociale, mais aussi avoir une retraite, voilà, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, par rapport à, par rapport, voilà, c'est un peu par rapport au statut de l'artiste. Hein. C'est important parce qu'on sait que la loi est votée. On sait que la loi est votée, mais son applicabilité pose problème. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore effectif. Donc pour nous, euh, un document comme ça, c'est un peu inciter les autorités ou inviter les autorités à appliquer un peu, disons, cette loi qui a été euh, vraiment votée depuis 2008 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc en gros, euh, et c'est par là que je vais terminer, l'identification des artistes est pour nous quelque chose de fondamental. Parce qu'on sait que dans le secteur de l'enseignement, on sait que qui est qui. Voilà, dans plein de secteurs, on sait que toi, tu es enseignant l'autre est gendarme, l'autre est donc on sait qui est qui. Mais dans le secteur des arts, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc pour nous, la première des choses que nous allons mettre en place, c'est d'abord d'identifier les acteurs. La deuxième chose que nous allons mettre en place, c'est de faire de sorte que, qu'au moins, qu'on puisse mettre en place des moments, des événements qui puissent fédérer un peu toute cette énergie-là. Quoi. Voilà, en tout cas, Dylan Grum, maintenant, je Djibril Goudjabi, directeur artistique, enfin, directeur artistique, euh, comment dire, coordinateur un peu, disons, de ce projet Juguen Culture Horizon 2035. Voilà, je me parce que ça m'a ça m'a mais encore en tout cas le document bi euh, prendre en compte toutes les préoccupations de ce artistes parce que gis vraiment euh, président de la république mais nous mettons bu en place un fonds de résilience nous a bénéficier mécaniciens je n'ai rien contre les mécaniciens mais ils peuvent bénéficier. c'est parce que lu tax bonne c'est parce que amul ben organisation qui suñu mbir mi quoi donc à partir de cette expérience là nous dañu en tout cas essayer vraiment de tout faire pour que ñu xam kan mooy kan C'est la première chose deuxième chose nous ñu mën formaliser entreprise parce que boo nee un artiste là, lan un ni ki artiste parce que da formaliser nga am say papier comme ça au moins mu entreprise voilà donc c'est euh, la deuxième chose euh, troisième chose c'est vraiment nous mettre en place un événements yi nga fédéré. Euh, comment dirais-je un peu le secteur nos secteurs c'est-à-dire y des artistes comédiens euh, du théâtre au moins nous avons un événement dans l'année bu leen permettre vraiment nous regrouper ensemble Voilà, artistes plasticiens musiciens et consorts et une condition sociale donc il faudrait que le fait que nous rassemblions, c'est déjà une force parce que tout le monde l'union fait la force donc le fait de se rassembler de discuter de nos conditions c'est déjà et ensuite de mettre en place un projet en place nos projet projets. qui nous permettre vraiment de rencontrer les autorités nous convaincre les à nous accompagner davantage mais aussi pourquoi pas les bailleurs internationaux parce que les fêtes, dans le domaine de l'art ils font... ay fonds ay appel ay projet yi nga xamantene ñu un peu un peu partout donc tay le fait que ñu rassembler loolu mo ñuy permettre vraiment ñu mën convaincre genre euh, autorités mais aussi ay bailleurs internationaux pour que ñu mën ñu aider quoi. voilà effectivement ñu bëri amuñu retraite tey amuñu retraite amuñu sécurité sociale gis nañu ni ki tey ay Baye Pël ay Maxara jogé yi ainsi de suite fii vraiment il fallait que ñu yelwane pour ñu mën lañ fat donc loolu ñun bëgguñu ko c'est plus jamais ça c'est plus jamais ça.